l'actu sur King FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les brèves que nous démarrons avec l'Office euh, central de répression du trafic illicite des stupéfiants. L'Office a été dissous par le président de la République Macky Sall, selon Source A qui donne l'information. Il sera rebaptisé l'Office anti-stap FAST ou Office national anti-drogue ONAD. En cause, les saisies records de drogue effectuées ces derniers temps au Sénégal. Le chef de l'État va aussi créer un parquet spécial anti-drogue pour lutter plus efficacement euh, contre la drogue pour faire face à la série d'inondations qui a touché plusieurs jeunes sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État Macky Sall a instruit le ministre de l'Intérieur Ali Ndiaye de déclencher le plan Orsec, organisation des secours au niveau des régions concernées. Il l'a dit lors du Conseil des ministres de ce mercredi. Ainsi, le ministre de l'Intérieur Ali Ndiaye s'est donc rendu hier dans la banlieue dakaroise où il est passé de Guédiouaï à Kermassar en passant par Pékin pour constater les dégâts des inondations. Les 22 élèves les renvoyés de l'institution sainte jeanne d'Arc de Dakar reprennent le chemin de l'école ce jeudi. Ces élèves vont porter l'uniforme assorti d'un foulard de dimension convenable fourni par l'établissement et qui n'obstrue pas la tenue. L'Institut précise dans un communiqué que cette décision n'est valable que pour cette année. Les quatre pêcheurs qui avaient porté disparu à Joal après le naufrage de leur pirogue ont été retrouvés mais sans vie. Ils ont été finalement inhumé dans la foulée au cimetière musulman de Joal sous la présence des autorités locales et des responsables communaux du euh, service de pêche sport. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3 buts à 0 face au Real Madrid au Parc des Princes pour son entrée en, liste en Ligue des Champions. Le doublé d'Angel Di Maria et le but de Meunier ont assuré la victoire parisienne. En effet, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Ganegui a été la plaque tournante du dispositif de Thomas Tour euh, avec 69 euh, passes réussies il, et, euh, 16 duels disputés pour 10 gagnés. Le Sénégalais a livré donc sa plus belle prestation depuis son arrivée au PSG. C'est tout pour la version française. Tout de suite, la version Wolof. of FM 99.4 xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak euh, office central euh, répression du stupéfiant licite bi nga xam si moom lañ doon woowee OCRTIS loolee nag jàpp leen ni président Macky Sall daal dina ko fiy jële bu ñu sukkandikoo nag ci source a ñu jox xibaar bi euh, dina taxawal beneen boo xam si moo ko nar a wuutu mu duppee ko office anti stap duppee ko OFAS wala sax office nation anti drogue muy ONAD li ko sabab nag moo di kon jamono ji li ni jàpp ci wàllum drogue bu takku fii nii ci réewum Sénégal dafa daal di bëri ba jéggi dayo tax tamit président Macky Sall wax ni taxawal tamit benn parquet spécial boo xam si fa la ñuy daal di saytoo lépp luy wàllum Sinébar leneen loo xam si tamit euh, njiitu réewum Sénégal président Macky Sall daal na koy waxtaane ci conseil des ministres bi mu doon amal ni ki démb moo di kon mbirum mbirum mbënn mi nga xam si daal dinay laal bu baax a baax euh, biir Ndakaaru ak biir réew mi tax tamit mu daal di wax ni kon président wala ministre de l'intérieur ali Ngouille Ndiaye na daal di gaaw taxawalaat kon plan Orsec loolee nag euh, tax na ba kon jëwriñ jore kaaraangeeg réew mi daal dinay dem dem fu ci mel ni géej Guédiawaye Kër Massar daal di koy jaare Pikine ngir xool kon euh, njombe yi nga xam si mbënn mi daal dina ko fay def ñaar fukk ak ñaari ndongo yi nga xam si dañ doon muuru te ñu dàqe leen ca institution Sainte Jeanne bu Ndakaaru jàppale ni kon tey jii ci alxames ji dinañ delluwaat ca seeni euh, classe waaye nag élèves yooyee jàppale ni la muuroo ñi di euh, école ba ñoo leen ko daal di jox te dina méngoo ak tenue bi nga xam si moom la ñuy daal di sol école ba tamit daal démb kon ca Joal daal dinañ leen di mujjee gis waaye nag fekk nañ ñu ñàkk seen bakkan ba tax na nag daan nañ leen di denc ca sëgi jullit ya nekk foofee ca Joal euh, am na tamit ay euh, kilifa yoo xam si teewe nañ koy mekk ca gox ba waaye tamit ay kilifa yoo xam si ci euh, service bu napp bi la ñu daal di bokk wàllum tàggat Paris Saint-Germain dafa daan démb Real de Madrid ñetti bal ci dara lañ ko daal di dóoru loolee nag ngi jëm ci Ligue des Champions bi ñaari but la Angel Di Maria daal di dugal ak benn bi boo xam si Meunier moo a rawatina Sénégal moo di kon Idrissa Gana Gueye di doomu Sénégal ak lu am solo li nga xam si daal dina ko cay def match bu jaar yoon ak kon juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti paas yoo xam si lépp daal dinay jaar yoon ak fukk ak juróom-benn yoo xam si daal dina koy jongante te fukk yëpp moo ko daal di ah, gagné loole nag di tekki ni ah, Idrissa Gana Gueye ba mu demee Paris ba léegi jongante bi mooy bi ëpp solo boo xam si daal dina ci ah, wane boppam lii mbokk yi tënk la woon kon ci ay xibaar yeneen i xibaar 9h wala sax 8h30 lay doon waaye léegi léegi kon al Ndiaye King Morning. tu sais une équipe comme le PSG il faut s'affirmer dès le début et ce que Idé Saganagé a fait. maintenant il compte parmi les ténors. Ah, ah, c'était Saliou euh, pour l'essentiel de l'actualité Tengkom Hibari, yi de la latte 8h30 sur jotee Morning King bi depuis 7h05 euh, du matin fille sur la première radio digitale du Sénégal mais la 99.4 King FM c'était l'essentiel de l'actualité.